ñeel wàllum euh, grève euh, des agents euh, des mairies collectivités locales Euh, mu comme ça fait maintenant trois ans nous ñu ngi réclamer li nga xam ne jàpp nañ ay droit vous en tant en tant que maire bu faites fu tonni si nii si mouvance présidentielle bi naka géré gérer les grèves déjà y avait une circulaire boo xam ministre bal Moussa Fofana génne woon na rek circulaire boobu neexutoon ñi nga xam ne centrale syndicale en tant que maire euh, est-ce que vous soutenez vos agents ou da si li nga le logique pour les ministres alors je me dama que euh, trois ans de grève c'est inadmissible c'est du jamais vu je pense ces territoires. territoire sommes gis un euh, secteur pendant deux à trois ans dañuy en grève et en grève totale da ñuy permettre non permettre nous ñuy permettre ñu taxaw foofu jàpp euh, je suis d'accord que chaque chaque chaque salarié am nga droit réclamer sa ça c'est mm-hmm. dû mais aujourd'hui on est en train de subir mm. le dictat pour ramener ne euh, ngi quand même bëgg up ëpp xam nga euh, lorsque par exemple nga ñëw ci benn centre d'état civil mm-hmm. nga bëgg këyit mu doon lu am solo ci ndit fa parce que les agents sont en grève depuis plus de un an lorsque tu nga am ay services publics que ce soit dans les écoles nga dem ci marché yi ñu war nettoyer nga dem ci ci servir des des des services de qualité notamment le le le désensablement Et lépp li nga xam ne dafa services Sur ñu population mm. et que nous avons des agents qui sont en grève du lundi au dimanche Madame, yow da ngay ñëw ci mairie avec l'équipe peut-être euh, ton cabinet mm-hmm. wala une ou deux personnes qui ont ah, ils ont décidé de servir la la la collectivité Dans plus de 200 personnes yoo ont ramené et qui sont en grève depuis deux ans. mais est-ce que vous avez essayé li nga non non le ministre Balla Moussa Fofana si bras de fer le Douga, ak. on est gréviste et là c'est les populations qui en pâtissent. aujourd'hui il faut que nous éclaircir cette question. xam nga lu tax éclaircir. Mm-hmm. ministre bi avons dafa un audit discuter avec les syndicats ñom lan fait une grève mm-hmm. dañuy grève que ni dañu wara am revalorisation par rapport à la fonction publique locale mm-hmm. sen salaire yi dañ ko wara par rapport à la fonction publique en général def audit audit bi plus de 90 de ces agents ne sont pas ne relèvent pas de la fonction publique locale et qu'ils sont des contractuels vis-à-vis -vis mm-hmm. de la collectivité. Pourtant, depuis deux ans qu'ils sont en grève dans la commune de Golfe Sud, on aurait pu couper les salaires parce que les salaires sont payés depuis deux ans. mais sont en grève euh, Nous te ko même si nga droit de grève tu ne peux pas priver les populations de ce dont ils ont droit Ce sont des communes de Golfe Sud nous, ci état civil. nous hmm. sommes ay on ne va pas dire que ce sont les agents qui sont en grève hmm. C'est la commune de Golfe Sud c'est le maire qui est en grève alors que nous, depuis deux ans on est en train de subir le dictat des agents dafa a moi je suis en phase avec le ministre des collectivités locales xam nga lu tax donc da ngay dénoncer non seulement je dénonce cette grève ah oui aujourd'hui parce que j'estime que pendant deux ans on a été très patient on a même soutenu parce que man dama n'est ni nit droit Donc, da nga ko ciy mais si nous tey ba am un audit clair qui dit que les agents yi fonction ils ne sont pas reconnus dans la fonction publique Ils doivent continuer dem mm. et que la grève continue ça devient de l'anarchie. pendant ce temps y alternative une proposer à la population. Mm, personnellement. nous on a essayé de gérer aller à la commune de Golfe Sud pendant deux ans. Mm. ils ont senti qu'il y avait cette grève. on a essayé de gérer. Comment on a essayé de gérer On s'est démultiplié. Le conseil municipal, les agents, a essayé, autant que faire se peut, de faire le travail. Mais il y a des services qui ont gap hmm. on est aujourd'hui confronté à un problème qui ne peut plus durer en tout cas moi je prends mes responsabilités donc en faisant que le ministre a instruit euh, a communiqué un courrier officiel que nous allons recevoir une fois que ce courrier sera reçu, nous allons l'appliquer. Qu'est-ce que dit Mais ce courrier Mais depuis l'acte 3 de la décentralisation, Le ministre n'écoute, euh, mon, euh, chef agent je vais euh, te dire une chose très claire, et ça, je, le dis devant la télé, et je pense que ça va même faire des remous, et c'est mm. tout assumé. Mm. À partir du moment où nous avons courrier du ministre de tutelle, qui a pris les langues, avec les syndicats, qui a discuté avec eux, qui a arrêté aujourd'hui quelque chose, moins, moins que les agents qui sont syndiqués nous avons le droit dem grève dans ma commune le mhm. Golfe Sud mhm. plus de 95 des agents qui sont en grève n'ont pas le droit d'aller en grève et c'est ce que les courriers disent et nous allons l'appliquer de la manière la plus ferme en tout cas à partir du moment où nous allons recevoir ce courrier nous demanderons à tous les agents mm. de regagner leur poste et ceux qui n'auront pas refait euh, regagner leur poste nous prendrons les mesures nécessaires que le droit nous permet pour constater ça et lu ci nous rek ñu xam la <laughs> merci beaucoup Khadija merci aussi à tous ces internautes qui ils sont euh, déjà nombreux euh, en train de nous